La cérémonie d'aujourd'hui qui nous réunit, Ismaël Belmokhtar, qui est le président de Andiviel, on vous souhaite la bienvenue au niveau de la commune de Louga. Mais c'est à partir de la collaboration qui existe entre Andiviel et Sakuyu, sous la collaboration parfaite et l'inclusion et l'intuition de l'RLFM, qui est une radio communautaire dirigée par le coordonnateur Abdoulaye Babadien, que nous remercions aussi. Mais tout ça a été mis à la place grâce à la commune de Louga. La commune de Louga est représentée ici par l'adjoint au maire Morsilla et le secrétaire général. Mais tout ça aussi a été piloté par la commission sociale, la commission sociale qui est dirigée par Issa Maintenant, j'ai bien dit que l'action que nous faisons aujourd'hui est une action humanitaire qui va en directe ligne vers les populations démunies. Vous avez devant vous des personnes handicapées, vous avez des indigents, vous avez des personnes qui n'ont pas la possibilité peut-être de réunir les deux bouts. Nous vous remercions de votre acte. C'est grâce à ces collaborations qui existent entre les peuples, entre les musulmans, entre la solidarité qui existe encore, entre l'ensemble des individus qui veulent faire du bien, que nous avons pu réaliser ça. Et je l'ai bien dit, quand on a reçu l'argent, on est parti voir un commerçant. Et à partir de cet argent-là, on a pu achetez les lots que vous avez qui sont 105 lots composés de 25 kg de riz, 2 paquets de sucre et 2 savons. Et nous vous remercions de bien vouloir accepter de venir ici à Louga, mais en même temps de nous donner ce que vous avez donné. Et nous vous remercions d'avoir contribué aujourd'hui à alléger la souffrance des populations démunies de la commune de Louga. Nous mbokk yi association handicapé yi ak euh, famille yi nga xam ni ñooy jëriñu ci incha allah rabi lii bu ñu soñoon ku nekk ci Louga famille bu nekk Louga kër gu fi nekk lu demee dina egsi ci yow tey nga yor lii mooy li yemb lii mooy li fi nekk moo taxit ñu def ko muy téeméeri loo ak juróom yoo xam ni dina dem ci téeméeri famille ak juróom xëy na beneen yoon incha allah rabbi ñeneen man cee jariñu kon yal na yàlla barke lépp yal na yàlla subhaana taala sotti lépp koo xam ne tamit ñëw na te fekk amul woon ticket euh, na comprendre mbir mi te jéggal ñu waaye ñëpp mënuñoo am xëy na bu ñuy amee ren ñeneen am déwén maa ngi jéggalu di santaat di gërëmaat kilifa yi fi teew yëpp waa mairie bi waa euh, association euh, Andi Veille waa Sakku Yiw ak yéen ñi teew ñëpp. me nag tey dama am beneen mbégte bu ci am Sakku Yiw daan def lu yiw lool mais tey ndokk yàlla ba ko yàlla jaarale sunu mbokku handicapé moom mu am xalaat bi visé. réewu Sénégal commune bu Louga bokk ci commune yi mu war a jaar di leen xamal ne ñun ay euh, ay nit lañ comme ñëpp euh, li ngeen ñu indil nii sant lañ ci mën ndax ñi ngeen koy jox yelloo nañ ko waaye monsieur la prochaine fois bu ngeen di ñëwati aussi ñuy sàkku ci yéen des cannes blanches des fauteuils roulants ak euh, appareillage loolu moom yow mi handicapé moom xam na lu muy jëriñ Salam alaikum, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent là. Et avant de remercier la municipalité, déjà c'est vous qu'on doit remercier parce que vous êtes venus. Je sais qu'il fait très très chaud et que vous attendez depuis tout à l'heure. Et je sais ce que vous ressentez parce que moi-même je suis une personne handicapée. Et c'est pour vous dire même si on a un handicap, on peut, faire beaucoup de choses. Et moi aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être devant vous. Et toute l'équipe aussi qui est avec moi. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir euh, ramené ces kits. Et si on peut faire plus l'année prochaine, on fera plus. En tout cas, on remercie la municipalité, l'action sociale, la radio aussi, de nous avoir permis de venir vous voir et de distribuer. En tout cas, je vous remercie encore une fois vous-même et qu'Allah vous guérisse de toute votre maladie. Et en tout cas, c'est pas nous qu'on devra applaudir, mais c'est plutôt vous qu'on devra applaudir. Bah, maintenant, je laisse la place au maire adjoint en tout cas. Et euh, bah, en tout cas, on vous remercie euh, de nous avoir permis aujourd'hui d'être là, d'être présent. Et euh, bah, vous, nous transmettrez, vous transmettrez nos amitiés en tout cas à monsieur le maire et à monsieur le ministre aussi et on espère en tout cas euh, la prochaine fois faire en, tout cas mieux. C'est à nous que revient d'aider notre, population. C'est pour ça qu'on nous a élus. Donc si pour un jour ou bien pour quelque chose vous faites ça pour notre, population, nous vous disons merci beaucoup. Qu'Allah vous accompagne. Ne donnez pas en, espérant recevoir davantage. C'est ce que Dieu a dit. C'est le Coran. Et c'est ça que vous faites. Que Dieu vous accompagne toutes vos entreprises. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, que demain vous, puissiez faire mieux et plus.